C'est gestion bi wax ci xam nga mairie ville révélation mairie de xam nga kan la maire de Gossas lu Moussoutaam. am xanaa jommi maire Gossas nekk maire Gossas ba pare nekk mairie de ville de mais c'est inadmissible c'est inconcevable C'est parce que c'est des amis ñoom ñooy ànd di toj seen i kaas di pas sérieux il faut que soit debout pour dénoncer ça ça c'est des cabales c'est inadmissible c'est inconcevable alors Bon, demee mairie une un recrutement pléthorique. Pour le DAF le directeur administratif et financier il est recruté par Aliou payé par Aliou par le contribuable de Guédiawaye il est maire de Gossas il cumule il est à Gossas et il est là c'est inadmissible le le scandale de ko au Sénégal pendant que les jeunes de Guédiawaye la population de Guédia, compétente est là mu parce que il faut changer les habitudes quand il venait il a dit qu'il va gouverner autrement une gouvernance sobre et vertueuse mu sa famille ses copains ses frères